depuis ba gouvernement bi euh, soso té ñu fatali rek ni euh, xeyna peut-être waru ñu mëna bét ndax nga xamante modi euh, le PM Ousmane Sonko taxawon na rek daal di wax ni képp ko xamante ne nañ la ci poste té doxalo ko xamaguñu nak li nga xamné mo moo wundu mhm. limogeage am mais dinañ ci def ay gëstu ba xam ko mais dafa melni juññoñ nañ ñu ko et que est-ce que war nañu bét limogeage bi waaw bété na deug la bété na mm parce que comme limojaz là, parce que les mots ont leur sens mhm. limojaz n'est pas une démission comme dafa dañ ko ça veut dire que c'est le président de la République qui a pris la décision de euh, le limoger mhm. loolu doit dafa dougat aussi ci prérogative du président de la République moom mi nommé am na l'attitude nommer mais yemul ci nommé kese bu nommé bu la nommé day xaar ci des résultats day xaar un bilan euh, ci lim la ci mission bu mu la jox parce que soo nommé directeur di nga ko mettre dans des conditions. yoo hmm. xam dina ko permettre mu liggéey ba mun a andi ay résultats mais si on dañu nommé un ministre un ministre ou un directeur général. Hmm. trois mois après on voit que la décision de l'émission tombe. Hmm. loolu dina attirer attention en tout cas ñu bari ñu def ci jàngat. bon jàngat bu njëkk bi est-ce que Cheikh est à la hauteur des missions qu'il a ko parce que euh, li ñu ko jox inondation pardon assainissement. Mhm. de façon générale mais en particulier euh, question inondation D'accord, il y a trop de fi ñu une euh, ñu euh, question cruciale mhm. jusqu'à présent l'État bi wala les pouvoirs publics à trouver une solution à mhm. cette lancinante question donc bu nekk dañ ko limogé ça veut dire que de façon en tout cas brutale il n'est pas il n'est pas à la hauteur des attentes du président de la République même mi ko donc vous voulez dañ euh, limoser. et mhm. automatiquement aussi parce que vous limoser, en général les les euh, le poste reste en vacances mais dañ ko remplacer avec quelqu'un d'autre automatiquement automatiquement ça veut dire que koku lañ gën am yaakaar koku dina a mission bi que ça veut dire que Cheikh euh, n'a pas été au rendez-vous loolu moy jangat bi ci jitu mais lan moko waral parce que est-ce que c'est un spécialiste du domaine buñ ko joxone parce que parfois da ci am solo nga nek un spécialiste de la santé ñu dénk la santé nga un spécialiste du sport ñu dénk le sport mm. nga nek un agronome ñu dénk tout ce qui tourne autour de euh, l'agriculture et l'agronomie parce que si ngay es a parce que euh, là tu es dans ton domaine de prédirection, mais si euh, tu es un enseignant wala nga nek benn ki ñu jox le poste ne ça correspond pas aux attentes du domaine bon, tu auras du mal pour accomplir les missions. Mm. Parce que tu vas agir en profane, tu vas agir en novice. Euh, D'accord. accord li sauver peut équipe. Mhm. technique ou dynamique pour nous ne accompagner terrain bi euh, malchance Cheikh il faut dafa tout euh, hivernage. Mhm. ñu demaat aussi si le grand magal de Touba Touba nous mu en jeu ci côté assainissement côté inondation. Mhm. su n'est ne il n'a pas satisfait à toutes ces questions là mun ne ah nañ ko changer euh, jël keneen ku ñu yaakaar mun répondre à ces questions là. en attendant bon de voir la situation. de mais parlons de de Magal Touba bi nga wax ni peut-être euh, xalif bi wala bokk porte-parole bi keroog rek mu ngi àddu naan dafa soxla ay euh, dimbal urgence pour ndox bi ñu gis ni moom sax bañ koy limoger mi ngi woon ci yoonu Touba bi est-ce que loolu demul au-delà limogeage est-ce que demul au-delà ci ay liggéey yu ñu war a parce que ñu ngi supposé ci tey tas xibaar yi ñu gis revue de presse bi est-ce que amul woon euh, benn deal bu nekk ci diggante moom ak ki nga xamante ni la wuutu ñu dafa recevoir benn oto euh, millions de francs CFA est-ce que aussi bu doon euh, liggéey bi la mhm. est-ce que dina ko fekk mu nekk mission ba ñu ko ni waaw bu dee bu dee bu dee liggéey bi la ñëwalul ba ñu limogé ko loolu mën nañu ko tuddee sanction. Hmm. mais su nekkee ne dem na gën a xóot loolu comme ni nga wax bu dee jéggi na loolu. ça veut dire que mu def loolu parce que bu nekkee ne oto boobu ñu wax ci moom ak leneen lu ñu wax muy niroog malversation. loolu bu dee ni aussi. il voilà bon il va falloir aussi qu'on creuse. pour avoir les les les vraies informations. Hmm, hmm. mais nous sommes en tout cas dans les hypothèses. bu dee loolu la mun nañ ne aussi le régime n'a pas tort. de le limoger parce que dañuy incarner rupture buñu incarner rupture dégg benn nit koo xam dañ ko nommé euh, muy def loolu euh, def kay ñu gis ko ci kay mel la sanction correspondante aussi nga de ses fonctions. ndax bu ñu ko uutu Diallo la tudd ku wax Diallo xel day dem peut-être ci li fi a xew. aussi waaw moom Diallo remplace ci poste boobu. Mhm. mais si nekkee dafa am acquaintance ak Diallo loolu dafa niru euh, conflit d'intérêt day une déloyauté donc la sanction euh, à approprié nous devons être de ses fonctions en attendant nous aussi nous li être mais c'est comme ça qu'un état doit fonctionner un état ne doit pas rester dans les états d'âme ci tout ce qui euh, doit ternir son mhm. image Mouy euh, Cheikh rien en tout cas un membre du gouvernement si il a fauté ce n'est qu'il n'a pas répondu aux attentes le pouvoir ou le qui le président de la République dafa war a jël ay matuwaay mooy mu def sanction wala mu en tout cas changer ko ci poste boobu. en attendant ñu xool bu dee dañ am na feneen fu mu gën a adapté ñu jox ko foofu. Mm. parce que quoi qu'on dise aussi euh, mun naa njortu ne il avait les ambitions de servir son pays. peut-être il n'est pas bon dans le domaine de l'assainissement, mais il peut être euh, euh meilleur ailleurs. ailleurs oui. Voilà, dans ce cas, nous avons en attendant de voir. Parce que c'est un allié qui a aussi beaucoup contribué pour mm -hmm. la réalisation du projet Bomiexifie. Mm -hmm. voilà, donc, état il faut pas mon état d'âme, ay sentiment.

parce que si ñu deful un rek résultat te bu direction a un résultat ministère un résultat ça veut dire que le gouvernement n'aura pas de résultat et ça va vers l'échec du gouvernement. Et pour aussi éviter cela, il faut que nous détaillions le jël donc non seulement les ministres l'équipe gouvernementale mais déglu aussi le PM parce que le PM tout le déglu parce que day jox avertissement ministère yi di jox euh, avertissement euh, les DG. Mhm. mun nañu ko aussi encouragement parce que da leen invité à plus de sérieux à plus de solidarité. Euh, euh, à à à plus de travail de gaspillé donc bu ñu baa bàyyi xel ci loolu rek. Euh, moo am ay moyens mun nañ dem ci ay résultats. mais mais est-ce que du avertissement boobu moo tax peut-être ci conseil des ministres bi mom PM bi euh, moy chef du gouvernement d'ailleurs euh, daal dina rek nañu gëna ñongal ñoŋal liggéey bi gën ko baral ci mbirum communication en même temps aussi mu joxoñ ki nga xamné moy ministre de de la santé bi pour mu gëna ñongal parce que gis nañ aussi côté santé bi aussi suuxe woon nañ na ay jamono mais ba tey guñ ci lo xamantene pour man bok personnellement lu palpable lo xamné ne mën nañ ci teg loxo ba gis ni am na ay performances. am solo foofu <coughs> am solo la présence des ministres sur le terrain la présence des directeurs généraux sur le terrain lay day day day ak askan bi. Mhm. il faut que le gouvernement se rapproche. Mhm. Euh, de la population parce que nous, ñoom li am population bi ñoo ko de service public la mhm. et quand il y a euh, un service public le service public doit euh, être destiné aux populations te li ci gën a euh, pertinent mooy ngay dem sur le terrain. Il y a des ministres qui font beaucoup de terrain. <coughs> Mon le ministre de l'Environnement le ministre de l'urbanisme le ministre de l'agriculture mais y ministère yi un de la santé santé euh, il n'est pas au toog euh, bureau mais au fond au fin fond euh, du Sénégal mm-hmm. parce que santé c'est un problème au Sénégal. Euh, légui, le ministre su maîtriser la cartographie euh, sanitaire du pays a un problème pour aussi atteindre ses objectifs. Mm-hmm. donc il doit faire des déplacements il doit être visible sur le terrain. Nous, mm-hmm. euh, ni mu tous les ministres qui et qui ont DG pour aussi nous dem fekk ci askan parce que am nañ matuwaay am nañ des véhicules de fonction am nañ carburant am nañ des lignes téléphoniques. Mhm. c' pour ñu euh, pour qu'il aille vers la population fekk ji len xam seen jàngoro. Mhm. le ministre aussi euh, Birame Soule il a fait beaucoup il fait beaucoup de déplacements C'est c'est ce qu'il faut parce que boo demul. Euh, ci terrain bi do xam réalité terrain bi les les sax di nga dem ci terrain ñu neubul la réalité terrain bi ñu jaar loolu ci yoon bo warul jaar il faut que nous prendre prendre conscience de loolu. mais jamono ñi euh, Sénégalais lambda bi moy ñëw joxoñ la problème né la li moo fi am ak li té lo xamante ne la ko gis en fait. loolu moy leen dimbalé parce que Sénégal buñu ñu wax la orientation la parce que démb maa sétane euh Birame Souleye bi mu bi mu demee euh, mhm. euh, population bi dañ ko téru ak ay ki ay ay manifestation di ñaxtu mais il les a écouté religieusement. parce que déglu bo moy tax ñu xam mu xam problème mu leen bon problème bi nak gouvernement bi xam nako mais ne ci andi jëm ci andi. andi solution mhm. parce que problème bi ñom dañ ko hérité dañ ko hérité ci régime précédent bi mais c'est pas un prétexte suffisant dañ ko hérité mais li ñuy xaar ñom ñu andi ay solution té ñu ngi ci yoon bi pour andi ay solution mais nañ déglu askan bi fekk ji leen euh, sur le terrain mais ñu prêter leen euh, une oreille attentive pour ñu mëna a jangoro yi fofu lay PM di inviter en tout cas tout le gouvernement aussi ñom nañ ko bàyyi xel pour ñu mëna atteindre leur objectif amna solo alors